forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, Voilà, il est 18h16 c'est l'heure du forum au micro Hamadou Moumouni. Bonsoir à tous. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaouré, Chirozirine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. La une, Hajj 2016, c'est toujours l'incertitude quant à la date exacte du premier vol charter. Le COHO parle, euh, euh, avance des raisons techniques. La compagnie Niger Airways ne dit mot, alors que les agences, elles, s'inquiètent sérieusement. Dans le cadre de l'embellissement de la ville de Niamey, le gouvernement a mis en place un programme de déguerpissement de tout ce qui occupe les espaces de façon illégale. Il s'agit des vendeurs de véhicules d'occasion, des vendeurs d'animaux sur la voie publique, des alentours du grand marché et des panneaux publicitaires non conformes pour suivre le gouverneur de la région et le directeur général des services techniques et municipaux de la ville de Niamey. La réaction du parti en cours suite au ralliement du MNSD à la mouvance présidentielle, le parti de Mahmoud Ousmane dit non à la décision du MNSD et réaffirme son appartenance à l'opposition. Un peu de sport, JO 2016, l'athlétisme nigérien n'a pas brillé à l'image du taekwondo qui a eu la médaille d'argent. Le président de la fédération nous dira les causes de cette contre-performance. aucun des vols programmés pour la compagnie Niger Airways pour transporter les pèlerins du Hajj 2016 à partir euh, du 16 août dernier n'a encore eu lieu. Il n'a pas été possible de rentrer en contact avec la compagnie, mais selon le commissaire à l'organisation du le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umra Koho que nous avons joint, euh, ce sont surtout des raisons techniques qui expliquent ces annulations. Lamine Mamadou Bachir, chef de division au commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra, souligne les raisons de l'annulation du premier vol et déclare que le CO est à pied d'œuvre pour solutionner le problème de transport. C'est un contrat que les agences ont signé avec les Saoudiens. Amir, c'est que ce que tous ceux qui sont concernés par les, deux premiers vols-là, en tout cas, leur contrat sera nul puisque c'est un contrat au maximum de 8 jours que les agences signent avec les Saoudiens. Donc, si vous faites les 16, 17, 18, 19, 20, 21, donc euh, d'ici demain ou après-demain, donc euh, il n'y aura plus de contrat. Donc ça c'est une porte pour les agences. En dehors de, du contrat de Médine, il y a aussi l'hébergement de, de, pèlerins ici à Niamey. Il y a des pèlerins qui viennent de comment de, de l'intérieur qui n'ont pas de titre ici à Niamey, donc ils sont hébergés vraiment par, les agences. Tout ça là c'est des charges. C'est pourquoi nous insistons et nous confirmons toujours que pour les Hajj, on ne peut pas vraiment s'asseoir vraiment dans un bureau et puis fixer les prix du Hajj. Vous voyez, les prix du Hajj cette année a été fixé par les ministères de euh, euh, par les ministères de euh, du commerce. Et bon voilà les problèmes. Non pas en collaboration avec les agences. Les agences ont contesté. À ma, à ma connaissance, il y a une seule agence qui est sortie qui dit qu'il peut faire le Hajj même à 2 <laughs> millions 50 000. Donc en dehors de ça, tout le monde a contesté que avec ces prix-là, il y a des difficultés. Donc maintenant, c'est de savoir maintenant euh, comment dire la porte du, contrat de Médine et l'hébergement des pèlerins là qui va le supporter maintenant. C'est ça le risque du métier. C'est un calcul qui a été fait pour arrêter ces prix-là. Il y a des différents paramètres vraiment pour arrêter les prix. Il y a les logements, il y a les chèques pèlerins, il y a la caution, il y a l'hébergement, il y a tout ça. Mais on n'a pas tenu compte vraiment en cas de problème qui va payer. Donc c'est ça. Donc automatiquement, c'est l'avionnette. Vous savez, à Médine, avec le système Massar là, sans les programmes du départ et du retour, il est impossible d'avoir un visa donc, l'agence ne pourra même pas signer un contrat à Médine sans avoir un programme de vol. Donc, c'est sur la base du programme de vol qu'on peut signer le contrat à Médine. Donc, si vraiment il y a perte, donc normalement, les premiers responsables, c'est la compagnie, parce que c'est sur la base de son programme que les contrats ont été signés à Médine. monsieur le Président, est-ce que le retard accusé par les pèlerins a un impact sur l'accès même de ce pèlerin à Médine ou à la Mecque Nous ne sommes pas tellement en retard, puisque comme vous, vous le constatez, la deuxième compagnie qui Airways a prévu son premier vol le 26. Même si c'est tous les vols commencent le 26, en tout cas, si on met les paquets, il n'y a pas de il a pas de problème. En tout cas, jusqu'au 1er ou bien le 2 septembre, on n'est pas en retard puisque on va faire à peu près 4-5 jours à midi. Le Hajj proprement dit s'ouvrira vers les 9 les 10. Donc on aura 3-4 jours à la Mecque avant l'ouverture du Hajj. On n'est pas en retard. Mais passer ces délai là, passer le deux là, vraiment c'est un problème. Pourquoi Le séjour de, Médine est compromis. Deuxièmement, même pour avoir les bus à partir de Médine pour aller à la Mecque, si ça reste 2 trois jours avant l'ouverture du Hague, c'est un problème. C'est pourquoi vraiment nous, euh, nous sollicitons vraiment euh, Niger Airways ou bien les, les Coho, vraiment de tout mettre en œuvre vraiment pour trouver vraiment une solution définitive vraiment à ces problèmes de Niger Airways puisque c'est Niger qui a des problèmes. Donc jusqu'à présent, aucun pèlerin nigérien n'a quitté pour la Terre Sainte Bon, sauf ceux qui sont dans les vols, internationaux. Tu sais, il y a des pèlerins qui, voyagent en vol international. il y a 11 400 et quelques pèlerins. Jusqu'à présent, il n'y a aucun pèlerin qui a quitté. En ce qui concerne vraiment les vols charter. Quelqu'un qui a, qui a vraiment quitté sa famille vraiment pour venir à Niamey de l'intention vraiment euh, de faire euh, un jour ou bien deux jours pour continuer sur l'Arabie Saoudite et qui est là plus d'une semaine ou bien après euh, du jour. Donc vraiment, euh, c'est pas facile à supporter. Mais nous leur assurons que Inch'Allah, trouvera vraiment euh, des solutions pour leur départ. Nous leur demandons encore d'être patients. Voilà, vous venez de suivre Amadou Moumouni, le président de l'association nigérienne pour le pèlerinage et la Oumra à Naples, qui explique là les conséquences du retard des vols charters pour la Mecque. Les conséquences donc pour les agences. Alors jusque-là, aucun pèlerin n'a quitté. Pourquoi euh, au Coho, on explique que cela est dû à des raisons de l'annulation du premier vol. Il déclare que le Coho déclare être à pied d'œuvre pour solutionner le problème de transport. Nous suivons Lamine Mamadou Bachir, chef de division au Coho. Le premier vol des pèlerins nigériens en direction de la Terre Sainte était prévu euh, se dérouler le 16 août dernier à 22 heures. Mais malheureusement, ce vol n'a pas pu avoir lieu. Tard dans la, soirée du, 16, la compagnie Nicher Airways en question euh, nous a saisis pour nous dire que le vol ne pouvait pas avoir lieu pour des raisons euh, techniques. Un exemple de ces raisons techniques Des raisons techniques, ça peut être différents ordre. Ça peut être d'ordre juridique. C'est-à-dire, euh, est-ce que la compagnie a pu rassembler tous les éléments, tous les documents juridiques pour lui permettre de faire le travail Un autre exemple, ça peut être la disponibilité des AR-9. Est-ce qu'ils sont prêts à décoller Est-ce que tous les aspects mécaniques ont été révisés à temps Ça aussi, c'est une des raisons techniques. et' eh, monsieur euh, Lamine, le Coro est censé savoir des informations euh, par rapport à, ces raisons raison bien avant de signer le contrat avec euh, l'avionnaire. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que le vol devait avoir lieu le 16 elle n'a pas pu avoir lieu le 16. La mission du COHO, je vais vous le rappeler par rapport à ce transport, s'arrête à la désignation de compagnie. Alors pour cette année, sur la base d'une convention que le Niger a a signé avec les autorités saoudiennes à Hajj, il a été convenu que les 50% des pèlerins nigériens seront transportés par euh, une compagnie nationale et les 50 autres par une compagnie euh, saoudienne. Donc euh, ce, ce programme du 16 qui devait débuter le 16 concerne la première compagnie qui est la compagnie nationale, donc la compagnie Niger Airways. Quant à la compagnie Flynas, son programme est prévu de débuter le 26 ou le 28 donc on n'est pas encore à cette date. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et pour la compagnie Niger Airways, il faudrait que nous sommes en train de voir dans quelle mesure est-ce que nous allons décanter la situation et voir éventuellement euh, dans les prochaines heures pour que le, le premier vol de cette compagnie aussi débute. Et je vous confie que euh, les frais de transport de tous les pèlerins nigériens sont logés dans une banque de la place. Ce n'est pas au trésor. Et l'argent est là. Et c'est parce que nous avons effectivement la liquidité que les deux compagnies se sont mis à nous donner des programmes sans ça, ils ne nous donnent pas le programme. Donc le problème d'argent, euh, je ne pense pas qu'il y ait un problème de liquidité. L'argent est destiné pour le transport, il sera mis pour le transport. Mais en cas de persistance de ce problème technique au niveau de Niger Airways, quelle sera alors l'alternative pour euh, pouvoir acheminer ces pèlerins à temps Le cours est en train de prendre toutes les dispositions pour que d'ici dans les prochaines heures, et puisse avoir le premier vol. On peut avoir une idée de ces dispositions. Est-ce euh, c'est un nouveau avionneur Ce sont des dispositions que nous sommes en train de prendre, des dispositions légales conformément au contrat. Euh, le vol a pris un retard. Maintenant, à qui revient cette perte Des mesures vis-à-vis de, de, de, des acteurs impliqués par rapport à ce retard. Donc euh, nous sommes en train de prendre les mesures pour que chacun soit mis dans son droit. Je voudrais dire à ces pèlerins-là qu'ils prennent euh, donc ce, ce faux banc, qu'ils le prennent avec beaucoup de, avec beaucoup de philosophie, c'est-à-dire euh, que le Hajj n'est pas une affaire facile, que le Hajj a toujours des, des péripéties, et, aussi que nous les rappelons à être très sereins. Jusqu'à 23h, euh, minuit moins une, à la date du 6 septembre, nous pouvons acheminer nos pèlerins. Vous n'êtes pas en retard par rapport à... Nous ne sommes pas en retard par rapport à la date. La date butoir pour, euh, pour arriver, nous en avons jusqu'au 6. La fermeture de l'aéroport de, de, de, de, Médine ou de Jeddah pour les pèlerins 2016 est prévue le 6 septembre. Le 6 septembre. Nous ne sommes pas en retard. Donc nous appelons vraiment les pèlerins à être sereins et que euh, nous, nous, de notre côté, nous sommes très sereins. Et nous savons que la situation euh, va être normalisée dans les prochaines heures, comme je vous l'avais dit. Euh, vous avez combien de quotas cette année 12 712. Environ les, les 10 500 vont en vol charter et les 1000 autres vont en vol régulier pour les vols charter, c'est ça qui pose problème C'est ça qui nous concerne. Euh, oui, pratiquement tout concerne le Congo, mais les autres, là, ils ont des vols euh, réguliers, ils peuvent aller quand ils veulent. Voilà l'assurance donnée par Lamine Mamadou Bachir, chef de division au commissariat de l'organisation, à l'organisation du Hajj et de la Oumra, sur le problème de transport, euh, le premier vol euh, pour le Hajj 2016 n'ayant pas encore été effectué. Parlons Niamey-Niala maintenant avec euh, le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, qui explique que des actions seront menées pour débarrasser la capitale nigérienne d'installations anarchiques. Autrement dit, tous ceux qui occupent un espace de façon illégale seront déguerpis. Alors, sont concernés les vendeurs de véhicules d'occasion, les vendeurs d'animaux sur la voie publique, les alentours du grand marché et les panneaux publicitaires non conformes. Le déguerpissement se fera selon un calendrier bien précis. Je vous propose de suivre le gouverneur de la région de Niamey, Hamid Karba au micro de Maria Diallo. Ce n'est que pour personne que la ville de Niamey se trouve aujourd'hui vraiment euh, en contradiction avec l'évolution du monde actuel. Euh, parce que euh, il y a tellement d'activités qui se passent sur la voie publique, toute chose en tout cas qui n'est pas de nature et assure la sécurité des personnes et des biens, ou bien l'embellissement de la ville de Niamey tel que voulu par les hautes autorités au premier chef, le président de la République Issoufou Mahamadou. Donc ce qui fait que nous avons identifié un certain nombre d'occupations que nous jugeons irrégulières. Lesquelles Donc vous voyez, quand nous voyons les vendeurs de véhicules d'occasion, beaucoup de moyens. Alors normalement, ils peuvent nous aider et ils doivent même nous aider, en tout cas, à embellir la ville de Niamey. qu'ils ont les moyens de se payer des parcelles pour pouvoir mettre ces véhicules-là, et même dans des grands magasins, pour pouvoir faire la vente comme cela se doit. Mais malheureusement, c'est qu'ils le font sur la voie publique et ne sont pas d'accord. Vous voyez aussi la vente des animaux hein, sur la voie publique. Alors même qu'il y a des marchés appropriés pour cela, ils sont sur la voie publique sous prétexte qu'ils euh, veulent faire des marchés de proximité. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous voyez la circulation des animaux. Il y a des animaux errants, ça c'est des animaux qui sont abandonnés par leurs propriétaires, mais aussi il y a le les, déplacements déplacement de ces animaux-là, certains animaux, sous prétexte que on les amène en pâturage, ou bien on les amène à d'autres fins. Tout ça, là, c'est des choses qu'il faut réglementer, et qui sont déjà réglementées d'ailleurs. Mais il faut bien que les gens acceptent que pour construire une ville, pour donner un visage à une ville, je pense qu'il eh, y a un travail qu'il faut, falloir leur faire. Monsieur le gouverneur, quand vous dites que c'est des choses bien réglementées, vous faites allusion à cette loi qui interdit la divagation des, animaux dans les, dans les rues Tout ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui ont été réglementés. Seulement par la faute de l'administration elle-même. Nous avons fermé les yeux et les choses euh, se sont développées au point où ça gêne aujourd'hui. Tout celui qui occupe un espace qui n'est pas approprié sait très bien que, même moralement, il sait très bien que ce n'est pas normal ce qu'il fait comme, comme, comme acte. Alors dites-nous pourquoi cette fois-ci vous avez foi en la réussite euh, de, de, ces activités et pourtant il y avait des lois qui réglementaient cela et que euh, jusqu'à là en tout cas on n'a pas obtenu un résultat. Vous savez parce que par le passé et nous étions tous toujours hésitants du fait de la démocratie pour ne pas piétiner le droit de X ou de Y, ou des fois, il y a certains, certaines considérations que nous mettions en avant. Mais ça, là, aujourd'hui, nous avons, nous sommes entendu que personne ne doit intervenir par rapport à quoi que ce soit. Il faut que l'État rentre dans ses droits. Et par rapport à ça, le premier responsable de notre pays, en l'occurrence le président de la République et le chef du gouvernement qui est le Premier ministre, en tout cas, nous ont donné carte blanche pour agir afin que nous puissions ramener l'État dans ses droits en respectant, bien entendu, les lois et règlements de la République. Donc, par conséquent, nous sommes eh, accompagnés par euh, le procureur de la République qui veille à ce que nous puissions respecter les droits des autres, faisant en sorte que le droit de la grande, grande majorité de la population de Niamey soit respecté. Est-ce que, euh, euh, parlant de, certaines considérations, on peut dire que le facteur socioculturel fait partie ou bien la mentalité des Nigériens Oui, il y a tout, c'est tout un paquet. Il y a non seulement d'abord euh, euh, l'aspect social, excusez-moi du terme, mais qui cache une certaine hypocrisie. Et nous avons aussi des aspects purement politiques qui font que bon, chacun pense à, se faire réélire. Donc il faut faire euh, la part belle à ceux-là qui posent des actes qui ne sont pas corrects. Bon, il y a du tout. Il y a des, des, familiales. Chacun personne veut qu'on touche à son parent, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. De, au point où et maintenant, c'est des individualités qui, qui veulent prendre le dessus sur le collectif. Alors que aujourd'hui, nous devons avoir une même vision. Nous sommes tous des fils de ce pays. Il faut qu'en posant un acte sûr qu'on n'est pas en train de piétiner le droit d'un autre individu. Mais puisque nous sommes dans ce cas de figure où certains piétinent le droit des autres, nous, nous devons arbitrer. Alors dites-nous comment cela va se passer. Et dans un temps par la sensibilisation, par la demande à tous ces gens-là de respecter la loi. Et ce que nous sommes en train de faire, on a passé par des communiqués. Actuellement, le directeur des marchand et l'huissier de la ville de Niamey sont en train de tourner autour de toutes les écoles, autour des centres de santé, autour des, bâtiments administratifs, autour des vendeurs de véhicules et autres là, pour sensibiliser ces gens-là à partir. On a donné des délais et pour qu'ils partent d'eux-mêmes, parce que nous, on ne veut pas utiliser la force. Mais si ces délais que nous avons donnés eh, ne sont pas respectés, nous serons dans l'obligation d'utiliser la force. Y a-t-il un calendrier, Monsieur le Gouverneur Exactement. Pour ce qui est des animaux errants, pour ce qui est de la circulation des charrettes dans la ville de Niamey, pour ce qui est de, des panneaux publicitaires qui cachent la vue, pour ce qui est de la circulation des gros porteurs, nous avons donné ce matin, le 22, lundi 22, pour que toutes ces opérations commencent. Effectivement, ça va pas commencer par euh, la sanction, mais c'est pour au moins d'ici 24 heures, que tous ceux qui sont concernés puissent en tout cas s'exécuter. Euh, au cas contraire, donc euh, certainement demain, nous allons commencer vraiment à sévir. Deuxièmement, il y a le 29 août où nous allons procéder, en tout cas on a donné le temps d'aujourd'hui, enfin du samedi même, jusqu'au 29, à tous ceux qui occupent les alentours des écoles, les alentours des centres de santé, les alentours des bâtiments administratifs de quitter et d'aller se chercher une place dans les, marchés de la ville. Au cas contraire, le 29, nous allons procéder vraiment au dégrapissement forcé de ces gens-là. Et nous avons également le 5 septembre. Ça, ça concerne les alentours du Grand Marché. Vous savez, le Grand Marché, c'est comme un bâtiment qui a été construit à grands frais et qui doit contribuer à l'aménagement de la ville. Aujourd'hui, force est de constater que le parking du grand marché et les alentours du grand marché sont occupés par le commerce. Ça n'assure ni la sécurité du grand marché, ni la sécurité de la ville de Niamey, ni, ni la, vue, la belle vue de la ville de, Niamey. Par conséquent, on avait fait plusieurs tentatives, mais puisqu'ils ne croient pas, puisqu'ils pensent que toujours c'est la même chose, on, chasse, ils reviennent. Alors, nous avons décidé que du samedi 20 jusqu'au 5 septembre, ils doivent se chercher une place. Au cas contraire, le 6, nous allons fermer le grand marché pendant 48 heures pour nettoyer tout. On doit tout casser et enlever pour que vraiment le grand marché et la dernière étape pour le moment, parce que ce n'est pas le tout que nous avons embrassé, il y a beaucoup d'activités à faire. Mais nous avons juste choisi un petit paquet. Dans ce petit paquet, la dernière intervention qui va se passer le 20 septembre, c'est au niveau des vendeurs de véhicules d'occasion. Ça aussi, on leur a dit de, chercher des places jusqu'au 20 septembre. Passé le 20, nous allons procéder au dégroupissement forcé de ces espaces-là pour les libérer définitivement. Après ça, nous allons faire le bilan et nous allons prendre d'autres activités pour que, d'ici la fin de l'année, que Niamey puisse au moins ressembler à quelque chose. Parce qu'il va sans dire que Niamey va abriter en 2019 une grande conférence au sommet des chefs d'État de l'Union africaine. À cette conférence, nous attendons à peu près 5000 personnes, au moins 53 chefs d'État, mais nous ne voudrons pas quand même que ces gens-là viennent nous trouver dans cet état. Alors, monsieur le gouverneur, c'est donc pour cette raison que les autorités du Niger sont en train vraiment de procéder à cet investissement de la ville de Niamey ou bien est-ce que ça a trop tardé Parce que là, il y avait aussi le programme Niamey-Niala. Ça fait trois ans. Ce programme, d'aucuns disent, euh, n'a pas en tout cas donné de fruits. Est-ce qu'on est toujours dans cette logique où on prépare euh, en réalité ce grand événement Vous savez, le président de la République, depuis le début de son premier mandat, avait quand même initié un programme pour la ville de Niamey, qu'il appelle le, programme Niamey-Niala. Ça veut dire que depuis lors, il avait une vision pour cette ville de Niamey. Malheureusement, nous tous qui sommes aujourd'hui investis de ce pouvoir d'agir, nous n'avons pas été à la hauteur de la mission qu'il nous a confiée, parce qu'on a laissé les choses pourrir. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, vu que cet événement-là qui fait partie quand même d'une préoccupation, parce que c'est du Niger qu'il s'agit, le monde entier viendra visiter le Niger. Et je pense que nous ne pouvons pas fermer les yeux et croiser les bras. Donc maintenant que nous avons le temps, et fort de la conviction et de l'engagement politique du chef de l'État, nous nous sommes dit qu'il est temps d'agir et nous allons agir. On sent une certaine détermination dans votre façon de parler, est-ce que vous avez pensé aux difficultés auxquelles vous serez confrontés, difficultés de mentalité, difficultés aussi par rapport à ces commerçants. Vous n'avez pas peut-être oublié ces syndicats de commerçants qui pourront peut-être agir ou avoir des réactions. Est-ce que vous avez prévu tout ça Pour moi, il n'y a aucune difficulté en la matière. Il n'y a aucune difficulté. C'est le bon sens. Vous savez, c'est quand on est sur un terrain de l'illégalité qu'on a peur de quoi que ce soit. Moi, dans cette action, je pense que nous sommes engagés et nous irons jusqu'au bout. Mais c'est que vous serez surpris. C'est les syndicats qui nous téléphonent pour nous soutenir. La société civile, vous voyez-vous, on ne peut pas avoir peur dans cette action, parce qu'il s'agit de sauver, en tout cas, le droit de la majorité des Nigériens qui vivent à Niamey. Et ceux qui posent les actes-là, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont dans les marchés. Est-ce qu'on va les inquiéter Mais non. Ceux qui sont dans leur parcelle pour faire leur commerce, on va les inquiéter Je crois que non. Mais ceux qui posent des actes, illégaux. En tout cas, nous verrons sur leur chemin. Ils ne sont pas si nombreux. Ils peuvent aller à la grève, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ça ne marchera pas. Voilà le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, sur euh, les actions de déguerpissement euh, qui concerne particulièrement les vendeurs de véhicules d'occasion, les vendeurs d'animaux sur la voie publique, les alentours du grand marché, les panneaux publicitaires non conformes. Une autre explication à ces opérations de déguerpissement, c'est celle du directeur général des services techniques et municipaux de la ville de Niamey. Monsieur Adam Adam euh, met l'accent sur la question de l'insalubrité. Il est toujours aux questions de, au micro de Maria Diallo. Effectivement, la ville de Niamey a fait un point de presse en vue d'informer la population sur d'abord les activités qu'elle a eu à mener dans le cadre de l'enlèvement d'état d'immondices qui jadis jonçait une bonne partie de la ville, notamment la zone où a été construite le boulevard Tanimoun, c'est-à-dire la rocade qui contourne la ville. Nous avons donc euh, profité de l'occasion pour décliner la stratégie pour la gestion des déchets que la ville de Niamey compte mettre en place en vue d'en faire une question participative, dans un premier temps, à organiser la précollecte, c'est-à-dire que l'enlèvement des déchets des ménages vers les points de regroupement, acquérir et aménager des zones de transfert, c'est-à-dire des zones où vont être regroupés les déchets, à organiser le transport de ces déchets-là, euh, transport qui va être amplement facilité par les moyens supplémentaires que nous allons obtenir du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain, en effet qui a commandé de matériel de transport de déchets euh, au profit de la ville de Niamey. Stratégie qui consistait également à organiser toute la chaîne de la précollecte jusqu'à euh, ce qu'on peut appeler la gestion ultime des déchets. Et dans ce cadre, la ville de Niamey a acquis deux terrains. Un terrain dans la commune rurale de Karma d'une centaine d'hectares et un autre terrain dans la commune 5 à la rive droite de 5 hectares. Terrains qui serviront de zone de lieu de traitement des déchets. Et, ces moyens sont attendus pour quand La commande a été déjà faite. Les matériels sont en train d'être acheminés ici à Niamey. La seule question que nous sommes en train de régler avec euh, les responsables du projet, c'est de mettre en place euh, toute euh, l'infrastructure institutionnelle, toute l'organisation technique, administrative, pour qu'une fois que ces matériels-là vont être remis aux responsables de la ville de Niamey, qu'on s'assure en tout cas de leur bon usage, qu'on s'assure qu'ils vont permettre en tout cas d'améliorer de façon substantielle la situation. Alors, récemment, il y a eu un plan d'urgence qui a débuté pour la ville de Niamey. Est-ce que cela veut dire que la ville de Niamey travaille en collaboration avec le Haut Commissariat du programme euh, chargé du programme Niamey-Niala Oui, j'allais en venir. Euh, je pense que euh, aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, il y a une véritable synergie qui est en train de se créer, ce qui avait un peu fait défaut par le passé, grâce en tout cas à la bonne volonté et au dynamisme du nouveau responsable du programme Niamey-Niala, qui dès à sa prise de service en tout cas a pris des contacts avec l'ensemble des maires d'arrondissement, du gouverneur, du maire président du conseil de ville, avec l'ensemble des services techniques, en tout cas à engager la collaboration nécessaire qu'il faut pour euh, apporter tout l'appui dont a besoin la ville de Niamey pour les, cette question d'insalubrité. Et vous avez dû constater que dans le cadre de ce plan d'urgence, la porte d'entrée que nous avons décidé de choisir, c'est la porte de la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Niamey. Et, on a déclenché tout ce qui constitue la feuille de route euh, qui va nous amener à améliorer de façon graduelle euh, l'image de la ville de Niamey jusqu'aux échéances euh, qu'on peut dire critiques de 2019 où Niamey doit accueillir le sommet de l'Union africaine. Et nous devons commencer dès à présent à agir, à faire en sorte que nos populations comprennent qu'il y a un orgueil national, qu'il y a une question que nous devons prendre à tous à bras le corps parce que accueillir toute l'Afrique chez soi, c'est vraiment euh, démontrer qu'on a une certaine capacité d'organisation, que nous devons ouvrir notre pays vers le monde. Et je pense que ça, c'est un enjeu. Si nos autorités sont parvenues à, obtenir la tenue d'un tel sommet, ça doit être une fierté pour nous et nous devons être dignes de pouvoir en faire un succès. Et pour ça, la participation de l'ensemble de la population doit se faire. Voilà, vous venez de suivre le directeur général des services techniques et municipaux de la ville de Niamey sur les opérations de déguerpissement entreprises par le gouvernorat de la région de Niamey euh, pour embellir Niamey, la capitale. À 18h41, sachez que les réactions continuent après la décision du MNSD de rejoindre la majorité au pouvoir. C'est le parti MRND Hankouri qui a parrainé, souvenez-vous, le, le Mahmoud Ousmane aux élections présidentielles euh, dernières qui a réagi dans un communiqué de presse rendu public samedi dernier, le mouvement nigérien pour le renouveau démocratique a réaffirmé son appartenance à l'opposition politique et son rejet catégorique de la main tendue du président de la République Issouf Mamadou. Selon le vice-président du parti, Seri Yakouba, en bonne démocratie, il doit nécessairement avoir une majorité et une opposition. Seri Yakouba au micro de Mokhtar Hamadou sur un certain nombre de rumeurs qui couraient ici dans la ville de Niamey pour dire que le président Seni Oumarou du, MNC euh, Nassara est parti avec euh, un certain nombre de partis, dont notamment le MNRD Hakouri. Aujourd'hui, nous vous réaffirmons que c'est archi faux. Le MNRD Hakouri est toujours à l'opposition. C'est pas parce que nous avons refusé la main tendue du président de la République. Et en fait, euh, vous savez, nous avons compris que depuis un certain temps, ce régime, en dehors de sa stratégie de dislocation des partis politiques, il veut maintenant passer à la vitesse supérieure en anéantissant l'opposition. C'est pour cette raison qu'ils ont pu prendre le gros morceau de l'opposition avec eux et nous avons dit non parce que l'MD a sa ligne de conduite, il a sa vision, il a ses objectifs donc qui ne cadre pas totalement avec ceux des gouvernants d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons refusé. Et vous savez, en politique, il faut qu'il y ait évidemment le pouvoir, l'opposition. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de république. C'est pour cette raison que nous avons décidé de rester à l'opposition. Est-ce que votre parrain, Aladji Mohamed Ousmane, l'ancien président de la République, vous soutient dans cette démarche Absolument, parce que si vous vous souvenez de l'historique qui a fait que nous avons investi le président Ousmane comme candidat aux législatives et au présidentiel, et c'est parce que tout simplement, nous avons les mêmes visions politiques, nous avons les mêmes idéaux, et nos deux formations politiques ont la même vision de la République, la sauvegarde et la consolidation de la démocratie. Et Ousmane est un vrai démocrate, et nous aussi, nous le sommes. C'est pour cette raison, d'un commun accord, nous avons décidé de rester à l'opposition pourquoi euh, les cadres restés fidèles à Mohamed Ousmane n'ont pas rendu public une déclaration pour soutenir ou bien pour euh, désavouer ces communiqués de presse Il faut savoir disséquer les choses. Nous, ici, c'est au niveau du MRD Hakouri. Et le MRD Hakouri a investi Mohamed Ousmane. OK Donc, cette décision vient du MNRD oui. Et ce qui appartient aux partisans de Maman Ousmane, c'est-à-dire les anciens militants de l'ancien CDS Rahama, ça c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. C'est à eux de voir ce que nous ne pouvons pas parler à leur place. Est-ce qu'avec euh, le départ euh, du MNSD Dassara de l'opposition politique nigérienne, c'est pas peine perdue pour vous Absolument pas. Les hommes partent, mais l'histoire est là pour juger les gens. Nous avons vu dans ce pays-là, il y a eu plusieurs compositions, alliances par-ci, par-là, et nous avons dû, nous avons vu ce que ça a donné. Donc, nous allons laisser l'histoire nous montrer et nous juger. Vous avez à peu près huit députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils épousent les mêmes idéaux que euh, votre parti Mais évidemment, parce que ces gens-là, dans un premier temps, c'est le MNRA qui les a investis. Donc, ils doivent obligatoirement se soumettre à la décision du MNRD Hankouri. qui va être les luttes euh, futures euh, pour le MNRD Hankouri Dans tous les cas, nous savons qu'un pays qui veut se développer, un pays qui veut se respecter, un pays qui veut asseoir une bonne démocratie, il faut qu'il y ait l'opposition. Et c'est pour cette raison, nous allons voir d'ici là les nouvelles perspectives à envisager pour le combat futur. Est-ce que vous avez les nouvelles euh, du chef de file de l'opposition politique nigérienne, Ahmad Hamadou sincèrement, en ce qui me concerne, tout ce que nous savons, il est à l'étranger. Nous n'avons pas, en fait, euh, si vous voulez, nous n'avons pas discuté de quoi que ce soit pour le moment. Dans tous les cas, vous savez, l'opposition a un rôle à jouer dans la scène politique. Donc c'est cette scène-là que nous allons, Inch'Allah, jouer. C'est ce rôle-là que nous allons jouer. Nous allons observer les gouvernants, nous allons dénoncer ce qui ne va pas et ce qui est bon en bonne opposition constructive, ce qui est bon, ce qui va aider le pays à sortir de la situation dans laquelle il se trouve, ce qui va aider le pays à, avancer de l'avant, nous allons le faire, Inch'Allah. Mais ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais, nous allons le dénoncer. Yacoub Seydou, on vous remercie. Je vous en prie. Voilà Yacoub Seydou du parti MNRD Hankouri sur le départ du MNRD pour la majorité au pouvoir. Pour le MNRD, euh, enfin, cet appartenant qui appartient déjà à l'opposition, il est mm, le MNRD refuse d'aller au pouvoir et estime qu'il doit avoir une majorité et une opposition dans toute démocratie. Retour sur la journée mondiale de l'aide humanitaire. Les festivités ont eu lieu vendredi dernier. À cette occasion, notre reporter Alassane Kouzimamadou s'est entretenu avec le ministre de l'Action humanitaire sur le sens de cette journée. Je vous propose de suivre Laoumagaï. L'humanité est une et indivisible. Elle est une et indivisible et on dit aussi l'humanité est partagée. En ce sens que la cohésion, l'entraide doit être de mise. Prenons une vieille femme dans un village qui se déplace dans un village. Elle est vieille. Elle n'a pas assez de moyens pour aider quelqu'un. Mais sur son chemin, elle voit une épine. Une épine qui peut blesser. Elle prend l'épine, elle la met de côté. Elle a contribué sur le plan humanitaire. C'est ça l'humanité est indivisible. Il faut que nous serrons nos coudes, surtout face à ce terrorisme face à des personnes sans, sans foi ni loi, qui sont prêtes à détruire l'humanité, il faut que nous soyons unis. Et c'est pourquoi ce thème a été choisi. Et c'est une très bonne chose d'avoir choisi ça. Est-ce que vous pouvez nous dresser une photographie de la situation humanitaire au Niger et les actions qui sont en train d'être menées de votre part La situation humanitaire au Niger, euh, elle a pris forme depuis 2011 avec les événements qui ont suivi les élections présidentielles au, en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Nigériens donc, qui, sont, qui, ont, qui étaient obligés de rentrer, de revenir au Niger. Le problème de la Centrafrique a fait revenir beaucoup de Nigériens. Le problème malien a fait venir et des Nigériens et des Maliens qui sont venus s'installer au Niger. Le problème de Boko Haram qui a fait venir du Nigeria plus de 80 000 personnes, qui a fait déplacer près de 180 000 personnes le long de la Komadougou pour fuir la zone de, combat et aussi le problème particulier des gens de la région de Kanté qui vont en Algérie et qui euh, donc font euh, qui, qui mendient. Ça c'est une situation humanitaire hein, qu'il faut aussi considérer comme une situation humanitaire grave. À cela, de manière saisonnière, nous avons d'autres euh, mots. C'est quoi c'est les inondations. Les inondations cette année, les prévisions qui ont été faites sont déjà presque dépassées. Pourquoi Parce qu'il y a eu beaucoup de pluie et dans les régions comme Agadez, qui semblait être des régions moins euh, prévues, nous avons euh, le maximum aujourd'hui de personnes touchées, c'est dans la région d'Agadez, avec près de 25 000 euh, personnes qui sont sinistrées par les inondations, suivies par Tawa, Maradi, Tilaberi et les autres régions. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire aujourd'hui la carte, elle n'est pas jolie à voir, mais on a le courage et avec l'appui des partenaires et l'engagement du gouvernement à venir aux côtés de la population, certainement nous allons avoir le dessus. Par rapport à l'assistance humanitaire au niveau de la région de Difa, qui est liée au groupe terroriste Boko Haram, quelles sont concrètement les actions que l'État du Niger est en train de mener à, aux côtés des partenaires Les actions que le gouvernement est en train de faire, c'est que le gouvernement est toujours le premier à venir sur les sites. Dès qu'il y a une population déplacée dans la région de Difa, c'est le gouvernement qui est le premier à être sur le site. C'est lui qui amène les premiers. et les premières. Quand quelqu'un quitte chez lui, il n'a pas à boire, il n'a pas à manger, il n'a pas où dormir. Et c'est le gouvernement qui est le premier à venir le faire. Et le gouvernement assure également l'identification des personnes qui, ont, qui se sont déplacées. Et à partir de cet instant, maintenant, les humanitaires sont invités à venir pour apporter l'appui nécessaire à travers les kits selon les types de ménage. Donc là, euh, le gouvernement est en train vraiment de faire euh, beaucoup dans la, dans la région de Difa. Et avec cette accalmie avec la situation de la Boko Haram qui est en train d'être maîtrisée au jour le jour, nous osons espérer que les communautés, les populations qui se sont déplacées, près de 180 000, vont certainement retourner au niveau de leur village. De l'entrée de la Komadougou à, l'embouchure du lac Tchad, sur près d'une soixantaine de kilomètres, vous avez près de 210 villages. Près de 210 villages. Et tous ces villages se sont déplacés. Aujourd'hui, ils sont en train de retourner, grâce à la calmie, de retourner à leur base. Et le gouvernement est en train de les aider à revenir pour s'installer de manière volontaire, réinstaller au niveau de leur maison, leur domicile, pouvoir faire l'agriculture, l'élevage et avec la comadougou, certainement ouvrir leur champ de poivron. Quelles sont les dernières nouvelles dont vous disposez par rapport à toutes ces personnes déplacées autour de, la région de Difa La dernière nouvelle, je l'ai, puisque euh, je viens de Difa il y a à peine 48 heures. Le 17, euh, j'étais à Difa, j'ai passé la journée avec le gouvernement avec toutes euh, les autorités euh, coutumières et traditionnelles de, de La situation, c'est l'accalmie. il n'y a plus de mouvement euh, de population. Les gens sont stables. Et Bosso, qui, qui a été vidé le 3 juin presque à 100% de sa population, est aujourd'hui reconstitué à plus de 80%. De la même chose pour les zones de Barwa, de Yébi, et de Kabla. Également, Toumour est presque à 100% reconstitué. Donc euh, les gens sont en train de retourner à l'occasion vraiment de la prise en charge par la force mixte de cette euh, nébuleuse qui est en train d'être maîtrisée. on parle d'une attaque encore euh, dernièrement dans la zone de Ingingimi. Bon, ce n'est pas des attaques, c'est des manières sporadiques Maintenant, c'est des bandits armés qui rentrent dans le lit, qu'ils trouvent avec des gens, avec leurs, leurs animaux et qui font des razzias. Ce n'est pas en tant que tel Boko Haram qui fait des actions dans ces zones-là. C'est des bandits armés et c'est les conséquences de ce genre, euh, malheureusement, euh, de, situation. Donc on parle aussi que dans la zone-là, il y a des conflits souvent intercommunautaires, vous confirmez Bon, il y a eu à un moment donné un, conflit entre des Peuls et des Boudoumas. Mais euh, le gouvernement a instruit le gouverneur de la région de Difa, le président du conseil régional de Difa et les chefs traditionnels qui ont réuni les deux communautés. Et depuis lors, il y a eu une paix. Et aujourd'hui, ils sont vraiment bien imbriqués les uns et les autres comme avant. Un dernier point, c'est sur l'autre aspect, les inondations. Vous avez parlé de 25 000, si je ne me trompe, dans la région de d'Agadez, des personnes qui sont sinistrées et de cette, par rapport à cette situation de catastrophe, euh, de catastrophe naturelle, quelles sont les actions qui sont en train d'être menées pour vraiment aider les populations à faire face Bien, merci. Effectivement, par rapport à la situation, comme je l'ai dit, la région d'Agadez, de Tawa, de Maradi, de Tilabiri sont des régions les plus touchées par les inondations cette année. Bien sûr, les quatre autres régions aussi ont des cas De, euh, le gouvernement Déjà, comme par le cas, de DIFA que j'ai dit, c'est le gouvernement qui vient toujours avec un kit pour appuyer les populations. Et ça, ça se fait au fur et à mesure. Dès que nous avons une situation qui est certifiée par notre, la direction de protection civile, la réaction est prompte et immédiate. Mais cela ne suffit pas. Le chef de gouvernement nous a instruit notre, moi, en tant que ministre de l'Action humanitaire, d'organiser une mission qui va aller vers l'ensemble des régions, faire le point, donc euh, l'état des lieux des dégâts, voir quelles actions on peut prendre dans le cadre d'un programme d'urgence pour venir en appui à ces communautés le plus vite possible. Et comme ça, une fois qu'on a ce programme, le gouvernement pourra, avec ses propres moyens, et chercher des partenaires de tous les jours qui vont certainement nous aider à pouvoir réduire, en tout cas, le déficit qui est dû à ces inondations, malheureusement. Cette mission a été déjà conduite ou elle compte aller à elle est en préparation présentement, la mission est en préparation. Et donc, euh, nous attendons le hockey pour pouvoir la démarrer avec l'ensemble des autres partenaires euh, du gouvernement. Ça veut dire que les gens vont devoir attendre quelques jours encore pour faire face au défi aux défis d'abri, aux défis d'alimentation non, j'ai bien répondu que immédiatement aujourd'hui, il n'y a pas un village qui a été inondé et qui n'a pas vu le gouvernement sur place. Il n'y a pas ça à la date d'aujourd'hui. Mais si vous avez perdu par exemple des animaux, dans la région d'Ingal, il y a eu près de 9000 têtes de bétail qui sont décédées, qui sont morts. Hein? C'est pas, ça c'est pas, dans l'urgence, on leur donne à manger un abri. Maintenant, il faut aller évaluer ce que ça a fait comme dégâts. Un courrier est cassé, une route est, est, est, est cassée. Il faut aller évaluer qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre les gens dans les meilleures conditions. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour ce qui est de la promptitude de l'appui, à chaque fois qu'on annonce, dès le lendemain, en tout cas 24 heures ou maximum 48 heures, l'appui est déjà là. Vous avez l'espoir que l'aide humanitaire va de plus en plus s'améliorer au Niger ou bien bon. les jours à venir Bon, euh, l'aide humanitaire, nous, notre souhait est que Dieu nous épargne de, tous ces, de toute cette situation pour, être, euh, pour aller à l'action de développement. Le Niger, le, président de la République, dans le cadre de, de la Renaissance 2, a prévu beaucoup d'investissements pour le Niger. Nous, notre prière est qu'il y ait une paix durable pour que, effectivement, les fonds qui seront mobilisés par le Niger puisse servir à des investissements porteurs et non à satisfaire à une situation d'urgence des personnes en détresse. C'est ça notre souhait. Mais l'un dans l'autre, de manière globale, le, euh, le secrétaire général Ban Ki-moon a organisé un sommet mondial à Istanbul du 23 au 24 mai. Le président de la République a pris part. Des engagements ont été pris. Donc par rapport à ces engagements, le Niger et l'ensemble des partenaires humanitaires vont continuer certainement à apporter un appui beaucoup plus qu'avant en matière de renforcement des capacités, voire même de relèvement, pour pouvoir permettre aux gens de prévenir ces genres de situations qui euh, nous surprennent assez souvent. on voit que 30% seulement. Euh, dernière question, dernière question. On voit que tout à l'heure, le coordinateur humanitaire parlait de 30% seulement de l'aide humanitaire, des besoins qui sont couverts. Est-ce que, avec, euh, avec, alors que cela fait des mois que la mobilisation suit son cours, est-ce qu'il ne va pas il ne va pas falloir, il ne faut pas euh, penser à d'autres, moyens de financement que de toujours euh, vouloir euh, attendre l'aide de l'assistance des autres pays. Bon, vous savez, qu'il y a une, une évaluation qui n'est pas faite, qui est peut-être aussi une des évaluations les plus importantes. La population du DIFA, tous ceux qui sont hôtes ont reçu des gens ils les ont pris en charge avec leurs propres moyens. Ça, c'est pas évalué. On sait que c'est fait, mais on n'a pas évalué pour voir à quoi ça répond. Or, ça prend une bonne part par rapport à l'appui, par rapport à la mobilisation des gens qui, par rapport à cette situation. Donc, euh, nous avons dit, étant donné que le programme était d'à peu près 75 millions et qu'aujourd'hui il est à peu près à 34% de mobilisation, on a revu avec les autorités pour voir quelles sont les priorités qu'il faut. Par exemple, l'abri, les, les wash, c'est-à-dire l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ce sont ces genres de choses, et la, et la santé, ce sont ces genres de choses qui sont prioritaires. Il faut tout de suite faire et maintenant. Et par rapport à ça, on a évalué ça à 15 millions. Sur les 15 millions, à la date d'aujourd'hui, il y a 7 millions et demi qui sont déjà mobilisés par le système des Nations Unies. Donc nous avons espéré que les engagements qui ont été pris par les autres partenaires viendront vraiment combler ce gap afin que les grandes priorités puissent être prises en charge. Meilleur que ça, c'est la, la paix avec la maîtrise au fur et à mesure de la situation de Boko Haram, il y aura moins de mouvements et les gens vont retourner dans leur village faire leur propre activité. C'est ça leur souhait. Personne ne veut quitter son terroir d'attache. C'est ça leur souhait. Voilà le ministre de l'Action humanitaire sur le sens de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée vendredi dernier. Là, Magazi était au micro de Alassane Kouzi Mamadou. Sur ce, prend fin ce forum. Nous nous retrouvons demain à la même heure et aux mêmes fréquences avec d'autres nouvelles. Merci de nous suivre. Bonne soirée.